Alors, euh, pour vous faire l'historique, le musée a été créé en 1988 euh, par le conseil régional de l'époque, c'était le conseil régional du développement, présidé par euh, son excellence Adam Moumoun Zarmakoy, colonel, préfet de Zender d'alors avec le soutien justement de la chefferie traditionnelle. Voilà comment le musée a été lancé, avec justement l'installation de ce bâtiment qui fait office donc de pavillon témoin et qui abrite justement l'administration du musée. Alors, euh, le second site se trouve euh, euh, à l'hippodrome, l'ex-hippodrome, appelé champ de course. C'est là-bas où se trouve donc le site idéal qui devrait habiter le musée dans sa grandeur nature. Voilà, là-bas nous avons trois pavillons. On a le pavillon Hausa qui reflète l'architecture Hausa. Nous avons le pavillon colonial qui symbolise justement euh, le passage de la colonisation française. Et nous avons aussi le pavillon Barth euh, qui symbolise donc le passage de Barth, l'Allemand, qui a eu à séjourner à Zender en 1856 un autre pavillon qui fait office de salle de documentation. là-bas aussi, c'est un spectacle désolant auquel vous allez assister on est encombré, on est envahi par des écoles, par le petit commerce, des garages. Avec tout ça, euh, le musée est presque abandonné. Ici, nous sommes en dysfonctionnement parce que vous avez vu, depuis 2018, euh, à l'occasion de la célébration de la fête du 10 décembre, Zender Sabwa, le bâtiment a connu un début de réhabilitation. Malheureusement, euh, les travaux sont aux arrêts. Trois ans durant maintenant, nous nous trouvons dans cette situation de dysfonctionnement. Le bâtiment est en train de s'effondrer, les travaux ne sont pas achevés. Euh, c'est la situation euh, dans laquelle nous nous trouvons à l'heure actuelle. Absolument, la collection se trouve dans un magasin rangé au voisinage on n'a que les ruines de ce bâtiment-là. Vous voyez, euh, de l'extérieur, vous avez l'impression que tout semble marcher. Malheureusement, à l'intérieur, c'est euh, le bâtiment qui est en train de chuter. Et bon, les objets, nous les conservons, mais seulement c'est le public, les visiteurs qui n'auront pas accès. Ça se trouve dans un magasin, il n'y a pas l'espace pour les exposer. Que, bon, nous recevons les visiteurs comme vous, mais ce qu'on pourra leur donner, c'est juste euh, la communication, échanger seulement sur la vie du musée, mais seulement ils ne peuvent pas euh, voir les collections. Nous, euh, l'essentiel, c'est de voir le bâtiment réhabilité. On n'avait pas pensé que jusqu'à ce jour, que le bâtiment, le bâtiment n'allait pas être inopérationnel. On avait pensé qu'avant 18 décembre 2018, et tout allait euh, fonctionner normalement, avec euh, un bâtiment rénové entièrement, avec d'autres collections qui viendront enrichir euh, la collection existante. Ben, c'est juste la réhabilitation de ce pavillon témoin. Même si de l'autre côté, sur le site qui devrait abriter le musée dans sa grandeur nature, mais là, la vitrine doit commencer par là. Hein. Ça ne nécessite pas beaucoup de financement, c'est juste la reprise euh, de ce pavillon témoin qui est fait en terre. Et je crois que si les autorités aussi bien locales, euh, régionales que nationales pourront intervenir, on pourra disposer quand même euh, d'un musée digne de ce nom. Moi, moi je dois d'abord déplorer la situation dans laquelle nous nous trouvons. Parce que nous, c'est du gâchis, le fait de créer un musée et qui n'a pas connu d'évolution. Qu'est-ce qu'on va donner à la génération montante Ils sont nombreux à venir, les enfants là qui, sont, qui viennent, hein, en grand nombre, pour chercher à voir les collections. Maintenant, ils ne font que visiter l'espace, faire des photos et puis retourner. Nous recevons aussi des étudiants mais nous ne pouvons pas leur montrer eh, la collection même du musée, mais nous les entretenons Hein, sur la vie de, du musée, tout court.